Cette école de devoir est le fruit d'un engagement de longue haleine, puisque l'association a été créée en 1989. Depuis cette date, l'association vient en appui à la scolarisation des enfants du quartier par un système de parrainage avec une centaine de marraines et de parrains belges et luxembourgeois. Je les salue, ils sont là en, nombre. Euh, je les salue en ce moment. Je dois appuyer en effet le système éducatif de la ville de Pékin et offre aux élèves de la ville un cadre idéal pour des cours de rattrapage et un lieu serein et sécurisé pour y réviser et effectuer ses devoirs, encadrés par les animateurs de l'association. C'est ainsi que l'association est un exemple de, de solidarité au-delà des frontières, qui ne se limite pas à un appui à une orientation scolaire, puisqu'elle soutient également les élèves et leurs familles en matière d'accès aux soins de santé. Je me souviens que le 4 juin 2022, lors de la cérémonie de pose de la première pierre, j'avais exprimé le souhait qu'on se retrouve ici bientôt, mais j'avais jamais pu imaginer qu'on allait déjà se retrouver ici aujourd'hui, seulement 8 mois et 21 jours plus tard, devant ce magnifique bâtiment qui fera le bonheur des élèves. Je tiens donc à féliciter toutes les parties prenantes de ce projet, que ce soit les membres de l'Assemblée générale ou du Conseil de l'administration, la centaine de marraines et parrains au Luxembourg et en Belgique, les responsables et animateurs du centre, les organisations partenaires, les autorités locales, les élèves et parents d'élèves, les anciens élèves et le directeur du centre, bien sûr, Monsieur Batchboop. Ce centre donne envie d'y étudier et je regrette presque de ne plus être élève moi-même. Bravo à vous tous, vive l'amitié entre le Luxembourg, le Sénégal et la Belgique. maa ngi tudd Bathie Mboup di directeur juddu fii ci Sénégal. waa donc dañuy rappeler que juddu bi mu nekkee Sénégal notamment fii ci Pikine nag léegi mi ngi toll ci fanweeri at ak ñett ndax mu ngi ci Sénégal depuis cent 1989 donc di ab ONG boo xam ne day dimbali xale yi nga xam ne ni ay njërim lañ ay néew gi doole xale yi ñu sànni. ak ñi nga xam ne nii seen waajur ñu ngi dund te seen loxo jotul seen ginnaaw donc juddu moo leen di fayal seen njàng. lu ko dalee classe CI ba bu ñuy am bac ci école privée yi yu gën a baax nag ci Pikine ak Dakar bu ñu amee bac ñu fayal leen ñu def formation professionnelle am au moins la licence 3 pour mën a am seen diplôme bi leen di permettre ñu mën a dem ut liggéey am demal seen amal seen bopp demal seen bopp. fu mu ne nii ñu ngi toll ci téeméer ak benn xale yoo xam ne nii ñu ngi leen di yore. ren jii waaye lu weesu loolu am na ay téeméeri téeméeri xale yoo xam ne nii jaar nañ fi judd jël leen en charge ba tey ñu nekk ay kilifa ci réew mi am nañ ay économistes ay docteurs ay comptables man mii di wax ak yéen tey nekk directeur bi ñoom ñoo ma jëloon en charge bi ma nekkee ndaw ma jàng ba tey am samay diplôme en économie toog fii Sénégal di jëriñ juddu si jëriñ aussi sama askan. waaw tànneef bi euh, d'abord xale bi jur bi mooy njëkk a ñëw def si demande. bu demande bi paree ñun dinañ def li ñuy wax ay enquête sociale bu toll ci téeméeri demande dinañ def téeméeri enquête bu loolu weesoo dinañ def aussi ay test pour xool un peu xale bi yan capacité la am ndax ku mën a def enseignement général la wala ndax koo xam ne dañ ko war a orienter vers la formation professionnelle bu loolu weesoo dinañ def un entretien physique ak xale yi pour xam dëgg bi ndax léeg-léeg parents yi dañuy nëbb loo xam ne nii xale ñoo ñu koy wax bu yooyu yëpp weesoo nag ñu jël euh, dossier yëpp jébbal ko suñu partenaires yi nekk Belgique ak Luxembourg mais chaque fois li nga xam ne ni moom lañ leen wax bo dee xol xalé yi la ñuy tànn ndax ñun ñoo nekk ci terrain bi xam exactement xalé yi li ñuy dund xam exactement xalé yi li ñu soxla mais pro tax na proposition bu ñu def rek bobu la ñuy jël. après nak en fonction de nombre de parrains yi nga xam ñom ni ñoo disponible ci la ñuy def sélection yi xalé yi nga xam ne ni moom la jël. coût projet bi bo xolé mi ngi tollu ci 100000 mille euros wax na ko léegi cent euros. voilà donc mais c'est construction jënd équipement yi moy table les ngeen fi gis bureau yi donc les lu fi nek lu bureau table chaise tout donc le euh, la bok wa judd bi mais les xalé bo xamni en charge en charge. transport bi nga xam ne nii moom la xale yi di am pour dem école ñiy jàngi Dakar wala ñuy jàng Géejawaay judd moo koy joxee léeg-léeg ñu def ay aide alimentaire yoo xam ne dañuy jox ay saagu ceeb seen famille yi pour mën a def dara seen biir et ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii judd la koy def donc yemul la ci njàng mi mais au delà de njàng mi sax bu fekkente ne am na ay post yoo xam ne nii gis nañ ko wala ay appel d'offre dañu naan suñu étudiants yi pare jàng dem leen def fii bu ñu defee seen appel d'offre bu ñu leen jëlee ñu dem ñu liggéeyi

Je m'appelle euh, Aldo Trichuoglio et je suis le président de Judo Luxembourg. L'objectif du projet, c'est d'aider les, les enfants de Pékin, les plus déshérités, les orphelins, les enfants abandonnés, les enfants en, détresse et en difficulté, les filles et les garçons, à avoir accès à euh, éducation une éducation d'un certain niveau. C'est pour cela que nous avons euh, des accords avec des lycées et des écoles primaires privées qui puissent garantir une éducation de, qualité et un support. Nous, de notre côté, on essaie de supporter avec notre nouveau centre les enfants euh, qui, chez eux, ils n'ont pas la possibilité d'étudier, regarder et repasser de nouveau sur les cours et effectivement donner une chance ultérieure de réussite pour l'école, mais aussi par le futur, pour leur propre vie. Nous avons actuellement euh, une centaine d'enfants à partir de 6 ans jusqu'à à les, études supérieures, jusqu'à l'université. Et il varie entre les 6 ans et les 22, 23, 24 ans. Donc, euh, et ça se fait sur candidature spontanée de la part des, habitants de Pékin qui présentent leur candidature au siège de Judo Jogdok, Judo Sénégal. toutes les candidatures, ils sont évaluées une par une. Il y a une enquête euh, psychologique, une enquête de, quartier social qui permet d'évaluer les enfants qui sont plus dans le besoin. Et à certains moments, cette euh, euh, sélection qui vient faite, elle est soumise à, nous, en Luxembourg et en Belgique. Et nous faisons une ultérieure commentaire. Généralement, nous, on se confie à ceux qu'ils disent notre, notre équipe ici au, au Sénégal, parce qu'on ne peut pas se permettre de juger. Nous, on doit seulement pouvoir choisir le nombre de personnes en fonction du nombre de parrainages que nous avons réussi à obtenir en Belgique et au Luxembourg. Il y a des années dans lesquelles il y en a 10 ou 15, on prend 10 ou 15 enfants. Il y en a des années dans lesquelles il y en a 2 ou 3, on prend seulement 2 ou 3 enfants. Donc notre travail là-haut, c'est d'essayer de trouver le plus possible de, de pour que chaque parent c'est un enfant en plus dans notre organisation. Moi, c'est Étienne Marot, je suis le président de Judo Belgique. Donc nous sommes constitués en deux associations, Judo Belgique, Judo Luxembourg, et nous travaillons en commun pour, euh, pour aider Judo Jogdoc ici au Sénégal. Donc euh, pour la construction du siège, euh, voilà, le budget global c'est 104, 104 000 euros, y compris l'équipement, les bancs, etc. Donc bon, Batch s'est fait un honneur de respecter le, le budget, on est très fiers pour ça. Et bon, c'était une période difficile puisque l'année 2022, il y a eu des augmentations avec la guerre, la, guerre en Ukraine. Et euh, Batch s'est fait un honneur de respecter le budget en trouvant des solutions pour, euh, pour adapter le budget, en trouvant des aides ici au Sénégal aussi. Et là, je dois souligner que quand on a un soutien local ici au Sénégal, de la part des entrepreneurs, de la part des parents d'élèves, de la part de certains étudiants. On est vraiment très fiers et ça nous encourage encore plus à, euh, soutenir, le projet.